le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio auditeurs et auditrices du studio Kalangu, il est 18h passé de 15 minutes. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangu, votre émission quotidienne qui apporte des réponses aux préoccupations des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. À la présentation, de fils Adam Serfo. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des 31 radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région et plusieurs localités du Niger. L'entretien des voies publiques de la ville de Niamey, c'est la thématique du forum de ce soir. Qu'est-ce qu'on entend par voie publique Comment ces voies publiques doivent être entretenues Qui est chargé de l'entretien de ces voies publiques Comment la population s'implique-t-elle dans l'entretien de ces voies C'est à ces questions et à bien d'autres que nous tenterons de débattre ce soir avec nos invités présents dans ce studio. Il s'agit de M. Tonko Wahidi, il est directeur de la voirie ville de Niamey. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons également Ina Karanta, volontaire sur les questions de salubrité à Niamey et membre du groupe Niger Cyber Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être venu. Chers invités, merci une fois de plus d'être euh, venus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, parlez-nous brièvement de vos structures, en quoi votre euh, travail est utile pour la, pour la ville de Niamey et les usagers des voies publiques. Je commence par vous, euh, Monsieur Tanko. Vous êtes le directeur de la voirie de la ville de Niamey. Parlez-nous de votre fonction. Merci, le studio Klangou. Merci pour l'intérêt que vous portez à la ville de Niamey et à l'entretien des voies publiques de la ville de Niamey. Bon, euh, je m'en vais euh, présenter d'abord la direction de la voirie des réseaux divers. La direction de la voirie des réseaux divers euh, est composée donc de trois services. Il y a le service voirie, il y a le service éclairage public, il y a le service circulation routière. Au niveau de la, oh, du service voirie, en 2007, il y a eu une étude UBAPLAN, c'est un bureau d'études qui a fait une étude pour tracer l'ensemble des voies revêtues Dans de la ville de Némi... Donc en 2017, on avait 310 km de voies revêtues dans la ville de Némi... Bon, maintenant, à la date d'aujourd'hui, on est en 2017. Il faut donc ajouter euh, la voie qui a été faite récemment, celle de Goudel, celle qui, coûte donc, celle qui quitte le, cimetière, le cimetière musulman qui va jusqu'à l'Osogongo, jusqu'à Tondibia. Il faut augmenter maintenant les voies de contournement qui quittent donc euh, l'hippodrome pour venir à ce qu'on appelle le boulevard qui vient donc faire la jonction avec celle de Goudel. C'est là sur, une, longueur de 40 km. Ce qui fait donc aujourd'hui, on a 350 km de voies revêtues dans la ville de Némi. Donc, aujourd'hui, euh, il y a le service voirie, il y a le service euh, éclairage public, donc là qui s'occupe des lampadaires, il y a le service euh, de circulation routière donc qui, s'occupe de la réglementation des, panneaux, de signalisation de la route. Merci à vous, euh, Ina Karanta. Niger citoyen, cyber citoyen, qu'est-ce que c'est C'est nigérien, nigérien cyber citoyen. Euh, nous sommes un groupe, un mouvement donc qui est né sur les réseaux sociaux nous sommes, c'est composé donc de plusieurs, enfin de Nigériens, de citoyens nigériens. Notre groupe en fait est né euh, suite justement au constat que notre ville est de la voilà sur l'aspect de la salubrité que donc nous dénoncions euh, nous les, internautes sur euh, nos différents compte Facebook, Twitter. Et donc, euh, nous sommes assis à un moment donné pour dire pourquoi ne pas euh, être ensemble et créer un groupe. Donc, c'est comme ça que le groupe nigérien cybercitoyen est né. Et depuis euh, un an, nous menons des activités donc de salubrité. Nous dénonçons également l'état euh, des dégradation. dégradation. des routes, les lampadaires et ce qui suit. Et nous, nous intervenons, enfin, nous faisons de, de notre mieux pour apporter, en tout cas, notre contribution dans l'entretien. Merci à vous. Et comme je le disais plus haut, nous allons parler ce soir euh, de l'entretien des voies publiques de la ville de Niamey. Qu'est-ce qu'on entend par voie publique Écoutons Monsieur Tini Inoussa, il est urbaniste. Voie publique, d'abord, euh, c'est un élément du domaine public qui constitue une circulation terrestre. Bon, quand je dis voie, moi je vois l'ensemble de la voirie. C'est l'ensemble des voies qui constitue la voirie. C'est la voirie là qui est un ensemble qui relève du domaine public, qui est constitué par euh, des éléments du réseau de voies terrestres. Ça peut être des voies terrestres de circulation, terrestre bien sûr. Ça peut être fluvial, ça peut être maritime, comme aérienne. J'ai dit aérienne, les gens vont tout de suite euh, penser en haut. Aérienne, ça veut dire à travers, bien sûr, les pistes d'atterrissage. Quand je dis pluviale euh, et maritime aussi, on entend par là, bien sûr, les ports. Tout ça là, ce sont des voiries publiques. Si je reviens encore euh, sur le domaine un peu calé sur ce que nous entendons communément, voiries, là, c'est l'ensemble des réseaux de voies de circulation terrestre. Oui, parmi ces, réseaux, est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns La voirie dans une ville donnée constitue l'ensemble des voies de communication, à savoir euh, les boulevards, les avenues, les rues, jusqu'aux voies piétonnes dans les quartiers. C'est ensemble-là qui constitue la voirie dans une euh, ville donnée. Et le tout relève, je dis bien, du domaine public. Tout ce qui est voirie que ce soit la voirie nationale, c'est-à-dire les routes nationales, et la voirie régionale ou départementale, les voies qui relient dans un département, ou bien la voirie locale d'une ville, c'est à la charge. La conception doit être à la charge de l'administration publique et l'entretien et le suivi relèvent de l'apanage de l'administration publique. À elle de les établir, de les concevoir de les bitumer, de les entretenir, tout ce qui relève de la voie, c'est à la charge de l'administration publique. Je reviens dans ce studio vers vous, Monsieur Tonko. Vous êtes euh, le directeur de la voirie ville de Niamey. Comme vient de l'expliquer l'urbaniste, les rues, les boulevards, les routes, euh, pour ne citer que cela, constituent les voies publiques euh, ici. Au niveau de la ville de Niamey, qu'est-ce que vous considérez comme voie publique la définition de la voie publique, elle, est unique. C'est bien ce qu'il a dit. La voirie est un élément du domaine public. C'est bien, c'est bien juste. Nous, au niveau de la ville de Némé, nous faisons donc le distinguo entre euh, plusieurs voies. Parce que quand vous prenez la ville de Némé, actuellement, euh, on a sept pénétrantes. Qu'est-ce qu'on appelle pénétrantes C'est les voies nationales, c'est les routes nationales. Les RN. Les RN, c'est les routes nationales qui arrivent dans la ville de Némé. On en a sept au mhm. niveau de la ville de Némé. Vous prenez donc la RN1, donc la route de Dosso, vous prenez la route de Kolo, vous prenez la route de Saï, vous prenez la route de Torodi, vous prenez la route de Tilaveri, vous prenez la route de Walam et vous prenez la route de Filengue. Donc on a sept pénétrantes au niveau de la ville de Némé. Donc à ces pénétrantes s'ajoutent maintenant des voies collecteurs qui relient ces pénétrantes-là. C'est celles que généralement qu'on appelle des boulevards, qui sont mm. donc des voies à grande circulation, des voies qui, ont des chaussées assez larges. Le réseau qu'il a un peu cité tout de suite là. Euh, tout à fait. Donc les boulevards, les avenues, euh, les, rues de, des dans les quartiers. Donc c'est ça euh, qu'on appelle au niveau de la ville de Némé et la voirie urbaine. Donc pour nous, au niveau de la ville de Némé, nous ne faisons pas de voies, c'est l'État qui fait des voies. Nous, au niveau de la ville de Némé, on fait de l'entretien. L'entretien des voies. Donc, quand elles sont dégradées, l'entretien revient à la ville de Niamey. Et donc, euh, la ville de Niamey, elle est la seule euh, structure à prendre en charge l'entretien des voies La ville de Niamey, elle, bon, euh, dans ces derniers temps, vous allez vous-même vous le constater, normalement, c'est la collectivité qui prend en charge l'entretien des voies. Mais il arrive que certains partenaires, comme la CAFER par exemple, interviennent dans la ville de Niamey pour colmater par-ci, par-là, des voies qui sont vraiment euh, aussi dégradées. Ina Karanta, vous êtes euh, membre euh, du groupe nigérien Cyber Citoyen, un groupe qui œuvre pour rendre la ville de Niamey coquette, mhm. propre à travers des actions de salubrité. dans quel état, on peut dire dans quel état les voies de Niamey sont selon vous actuellement Alors, j'ai écouté monsieur qui parlait des grands artères. Au niveau des grandes artères, je pense qu'il n'y a pas de, dégradation particulière parce que quand on prend la route de Saï ou de d'Osso, on constate que le goudron est plutôt fluide. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de dégradation. Mais quand on prend intra-urbain, Niamey, euh, je vais vous citer par exemple la voie euh, qui quitte Château 1, ça passe devant la Banque mondiale au chat jusqu'à derrière la gendarmerie, chaque fois que je passe là-bas, j'ai dit c'est cette rue concentre le plus grand nombre de riches au Niger mhm. <laughs> et cette fois est la plus dégradée de la capitale. Alors, en tout cas, je serai résidente de cette euh, partie de, la ville. Je pense que je ferai quelque chose pour euh, pour euh, y pour en tout cas entretenir, même si j'ai pas les moyens de mettre un goudron, euh, je ferai du lobbying où euh, on pourra faire euh, une contribution citoyenne entre résidents pour améliorer cette voie-là. Maintenant, parce que la, la mairie à Niamey s'est agrandie depuis quelques années, la population a augmenté. Et donc la mairie, j'imagine, a aussi beaucoup d'autres activités et ne peut pas intervenir à elle seule euh, sur, sur, ce, sur ces tronçons-là. Après, on a aussi cette voie euh, devant l'ancien siège de la BESIC, devant la radio Ténéré, qui est fortement dégradée et depuis quelques années. Et ça, me, ça nous choque à chaque fois que moi je passe là-bas, on a tous des voitures on voit comment on plonge, on rebondit. C'est vraiment une catastrophe. Donc, euh, euh, on interpelle souvent dans nos, dans nos publications les, euh, la, la, ville de Niamey, aussi le commissariat à Niamey-Niala depuis, qui né depuis quelques années. mais on n'a pas eu de réponse. Il y a aussi cette voix devant UNICEF vers le lycée français, qui est fortement dégradé. Et ça, c'est au cœur de la capitale. Et quand, quand on a un étranger qui arrive à Niamey et qui voit ça, on se demande si nous sommes dans une capitale ou... Donc ces voies ne sont pas bien entretenues. Oui, voilà, exactement. Ils sont pas parce que ça dure. C'est pas euh, comme si c'était hier seulement. Ça fait des années que, par exemple, derrière le lycée français, la voie est comme ça. Mm. Et euh, bon, euh, j'imagine que les, autorités municipales, les responsables voient cela, mais euh, n'ont pas euh, trouvé de réponse, en tout cas pour l'instant, à, ce, à ces problèmes-là. Monsieur Tonko, vous venez d'entendre la situation qu'a adressée Ina. ce que, comment vous expliquez cette situation Oui, il n'y a pas d'autres explications à donner. effectivement, les voies qui viennent de citer là, c'est des voies qui sont dégradées, fortement dégradées. Ce ne sont pas les seules voies à travers les constats, oui. Actuellement, on a un programme au niveau de la ville de Némé. On a des actions concrètes qu'on est en train de mener de la ville de Némé. Euh, pour celui qui circule beaucoup de la ville de Némé, il va constater qu'il y a beaucoup de voies qu'on avait colmatées. Donc la première euh, étape qu'on avait euh, commencée, c'était colmater toutes les voies de la rive droite. La rive droite, il y avait une rue, même nationale qui était un peu dégradée, celle du Saï. Ça, on l'a colmaté. Donc, au niveau de la rive, on avait, il y avait encore une autre, mais elle n'est pas nationale, celle-là, qui va au CHU. Cette voie, elle est colmatée. Donc, au niveau de la rive droite, il n'y a aucun nid de poule. Ça, c'est fini. Maintenant, notre équipe est au niveau de la commune 3. Au niveau de la commune, nous avons colmaté Jean Gorzo, là où c'était vraiment très dégradé. Tout le monde le connaît, ça s'est réglé. On a colmaté, là, juste entre le CEG4 et le CEG3. Ça aussi, c'était dégradé, ça, c'est déjà fini. Maintenant, notre équipe, elle est en train de colmater tout ce qui est au niveau de la commune 3. Maintenant, après la commune 3, on va se transporter au niveau de la commune 1. Donc, Déjà, la oui. Euh, la maternité centrale, ça a été colmaté Pas encore. Ah, voilà. Pas encore. Mhm. Euh, jusqu'à. c'est ça, pas encore. Mais euh, c'est la commune 3, on n'a pas fini encore avec la, commune 3. Donc, c'est ça, va nous intéresser, il y a une affaire, on va mhm. Maintenant, après la commune 3, on va maintenant au niveau de la commune 1. La commune 1, c'est ces voies que vous, avez, vous venez de citer, qui sont fortement dégradées, plus même une voie qui passe devant l'ambassade de, de l'Iran. Mm. Ces voies-là, elles sont dégradées. Bien qu'avant-hier, j'ai intervenu sur les deux voies, là, celle qui passe devant Kotakana et celles qui passent devant l'Iran. Mm. J'ai intervenu pour faire euh, euh, la territoire pour commencer à alléger un peu les souffrances des gens mhm. que j'arrose euh, presque régulièrement. Oui, euh, ça, explique que la ville de, Niamey elle est consciente de l'état de dégradation des routes. Vous êtes à pied d'œuvre maintenant pour réparer cela. Tout à fait, nous sommes et à pied d'œuvre. Oui, et comment donc se fait la gestion de ces voies publiques que vous venez d'expliquer par la ville de Niamey Comment se fait l'entretien, tout ça L'entretien, euh, c'est un budget qui est prévu au niveau de la ville de Niamey. Donc nous ne faisons qu'exécuter ce qui est prévu sur le budget de la ville de Némi. Donc nous passons euh, euh, des marchés à des entrepreneurs, à des prestataires qui le font. Bien que maintenant, euh, nous on vient de, on avait depuis quelques années là des engins qui peuvent nous permettre nous-mêmes au niveau de la mairie de faire ce colmatage là. On a donné une, formation à, à cinq ouvriers il n'y a pas longtemps pour utiliser ces engins. Il y a une bouille, il y a un synchroniseur. Donc maintenant, très bientôt, nous-mêmes, notre équipe de colmatage va rentrer en action. En dehors des prestataires, nous-mêmes, on va, euh, dès qu'il y a un petit trou, on va, on le, on le bouche, on n'a pas besoin d'un prestataire. Donc cette équipe-là, sera opérationnel très bientôt. Oui, effectivement, le problème crucial même des voies ici à Niamey, ce sont c'est la dégradation, les nids de poules, euh, l'ensablement, tout ça. Selon vous, qu'est-ce qui entraîne cela Tous ces goudrons-là qui se dégradent là, c'est des vieux, c'est des anciens goudrons. Oui, cest à dire qu'ils n'ont pas été euh, bien butinés? Non, non, c'est des anciens. chaque chose, euh, quand c'est le là, et elle a ses inconvénients. C'est des anciens goudrons, c'est normal. qu'à un certain moment, certaines parties lâchent. Donc euh, la meilleure petite manière, c'est de reprendre, c'est de faire des reprises pour encore avoir des années de plus. Oui, la gestion en tant que telle, vous dites euh, que vous engagez des entreprises pour euh, l'entretien des vents. Comment ça se fait Est-ce que c'est dans la journée Parce qu'on voit la, pendant la nuit des, gens qui sortent pour désensabler les voies. Les prestations au niveau donc des, des entrepreneurs, elles font ça en plein jour. Et c'est des contrats c'est des bons de commande. C'est ça qu'ils exécutent. Bon, ça c'est bien sûr. Ça. La voie publique, hein, écoutez, euh, la voie, on vous a, a dit que la route c'est un élément du domaine public. Donc, de la voie publique, il y a beaucoup de choses. Il y a, euh, si tu veux, le sable, il y a la Nigélec, il y a la SNE, il y a beaucoup de choses de la voie publique. Alors, Ina, qu'est-ce que donc euh, vous pensez de toutes ces actions euh, de la ville de Niamey quand il s'agit de la gestion des voies publiques, comme l'a expliqué le directeur de la voie publique Oui, alors moi je suis ravie d'entendre qu'il y a un programme et qu'ils sont à pied d'œuvre pour boucher les, nids de <laughs> les nids d'autruche parce que mm. c'est plus des nids de poules. <laughs> Et dernièrement, euh, j'ai fait euh, cas de la voix de Niamey et j'ai dit euh, l'entreprise qui a fait ses travaux et, je l'ai même traité de criminel <laughs> donc parce que Vraiment, c'est le constat est amer. Le constat est amer et ça crève le cœur quand on emprunte cette voie-là derrière le cimetière jusqu'à après Fadaloubatou. C'est vraiment, euh, j'ai même pas de mots. C'est terrible cette voie. Alors que ce sont des milliards qui ont été investis pour faire cette voie. Mm. Et euh, donc, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Hein. Je ne suis qu'une citoyenne qui, qui dénonce. Et euh, en principe, quand on quand on donne des marchés à des entreprises, ils doivent souscrire à des assurances euh, pour que s'il y a un problème, euh, ils puissent y remédier pendant au moins un certain nombre d'années, mhm. dix ans au maximum. Mais euh, cette voie, elle a six ans. Et elle est dégradée, on ne peut même pas l'emprunter à des parts, quelques parties de, de, cette voie. Et on voit que la mairie, ou en tout cas les autorités municipales, ne font ne font rien. Parce que aujourd'hui, vous voyez, euh, par exemple, au niveau de Dar Salam, cette voie, elle est, c'était, c'est vraiment désastreuse que vivent les riverains. Elle est impraticable, elle est fermée à, à, des bouts, et donc on est obligé de contourner. les résidents, donc euh, de, de, ceux qui sont résidents, qui ont payé des parcelles à l'époque, en se disant voilà, il y a une voie qui est en train d'être faite, ça va nous faciliter la vie. Et en fin de compte, ça devient un calvaire pour pour pour euh, les résidents. Mm. Donc, moi, ma question est que pourquoi euh, la mairie reste euh, sans rien faire D'abord, parce que là, on voit véritablement que il y a un manque d'entretien, parce que on, constate une dégradation à un niveau donné, c'est de vite y remédier, mais là, ça dure des années. dernièrement, nous avons mené une action de, de désensablement sur la voie, le boulevard Malibéro au niveau de mairie garage. Il y a le délégué spécial qui était venu nous soutenir, nous encourager. On lui a fait cas de, de, ce problème-là. Et la semaine qui a suivi, on a vu, ils ont, parce qu'ils ont aussi une page euh, Facebook maintenant, ils mettent euh, les actions qu'ils mènent. Donc on a vu qu'ils sont allés remblayer la route. Euh, bon, ça, ça reste euh, quand même quelque chose de temporaire, c'est pas durable. Donc, à la prochaine grande pluie encore, euh, le même, problème va revenir. Donc, est-ce qu'il ne faut pas trouver euh, peut-être si c'est le financement qui manque, il faudrait chercher maintenant des nouveaux partenaires financiers pour y remédier définitivement. Monsieur Tancou. Précisément, euh, sur cette voie là, où se situe le problème C'est une voie qui a été construite par l'État. La mairie ne fait pas de route, c'est l'État qui fait les routes. Donc elle, a dit, bon, normalement, on a une durée de garantie de 10 ans. Euh, l'entrepreneur devait prendre en charge euh, toutes les malformations. Bon, malheureusement, ça ne, se passe pas de cette manière. Bon, mais si vous avez remarqué, dans ces derniers, dans, a 4 jours de cela, cette rue-là, nous sommes en train de la traiter. Nous avons commencé depuis là où il y a la jonction avec euh, euh, le boulevard Tanimoun. On est arrivé jusqu'au de L'Amitié, tout est colmaté. Et ça continue. Et on va continuer jusqu'à euh, l'autre jonction avec Tanimoun de l'autre côté, du côté de route Filingué. Donc on est, la mairie, on est sur ça. Il y a une équipe, c'est même pas une équipe, c'est même la SATOM qu'on a mis pour nous faire le colmatage sur cette voie-là. Sous la voie Nyamingala. niala donc euh, le président de la délégation spéciale a fait appel à la SATOM pour vraiment euh, euh, colmater la voie sur euh, toute sa longueur. Un autre phénomène connu depuis toujours, c'est l'occupation anarchique des voies publiques. Un phénomène, phénomène qui n'est pas sans conséquence puisque créant du coup des embouteillages et des risques élevés d'insécurité routière. Les alentours de ces marchés, des marchés qui sont occupés par des marchands ambulants, des ordures tout autour. Dites-nous, est-ce que la ville de Niamey est consciente de cette situation? La ville de Niamey est bel et bien consciente de cela. Vous avez, il y a eu même des actions du, gouverneur, par exemple, au niveau du, marché euh, d'Arasalam. C'est un peu fluide maintenant par rapport vraiment au, mois dernier. Nous sommes bel et bien conscients de cela. Bon, euh, c'est des choses qui se traitent euh, d'une manière pas trop brusque. Et donc, comment vous comptez gérer cette situation Bon, la gestion de, de cette occupation du domaine public elle relève, elle relève plutôt maintenant et la direction des équipements marchands. Donc euh, c'est elle qui vraiment peut vous parler de cela. Et un autre aspect, depuis le déguerpissement euh, des kiosques et autres de 2016, on voit que euh, les kiosques sont toujours là. Il n'y a pas un suivi depuis 2016 Les kiosques ont on les kiosques, là où on a déguerpi les kiosques, on avait fait un programme d'aménagement. C'est des endroits qu'on devait aménager. Et l'aménagement, ça ne se fait pas tout d'un coup. Ça va se faire euh, au fur et à mesure. On trouve des financements et on, aménage. Donc tout ce que vous voyez là, là où on a dégrépi, c'est que sur l'aménagement suivra. Mais le temps que ça prendra maintenant, si ça concerne M. Kussur, ça, va, ça suivra. Alors, Ina Karanta, qu'est-ce que vous pensez de, ce, de cette opération de déguerpissement de 2016, euh, un an après euh, Un an après, le conseil, il est à part, j'ai vu un seul endroit qui a été euh, réaménagé, c'est la euh, ex-bar d'Alol, je sais pas, où on a fait maintenant euh, la place publique en face du ministère de l'Agriculture et Niger l'espace poste. C'est le seul endroit qui a été aménagé. Alors quand on prend par exemple sur le boulevard Malibéro, là où nous avons eu euh, l'action de désensablement, voilà une des conséquences du déguerpissement. Parce que quand il y avait des boutiques, il y avait des kiosques, euh, les, les, les, tenants de ces boutiques entretenaient plus ou moins cet espace-là. Il n'y euh, avait pas de, de, de sable. Alors l'autre fois, je, je, me suis, j'ai demandé comment se fait-il qu'il y avait autant de sable. On m'a dit c'est la pluie qui a amené donc c'est l'eau en fait qui a conduit le sable jusqu'à là et ça s'est entassé. Et ce qui est amer aussi, l'autre constat qui est vraiment désagréable, c'est que ces espaces-là, on a déguerpi des boutiques. Donc, euh, pour laisser maintenant euh, des ordures. Ce sont des ordures. Vous savez, les pousse-pousse, ils se, ils se donnent pas la peine d'arriver euh, à un dépotoir autorisé. Ils jettent. Là où ils trouvent, ils regardent à gauche, à droite, il n'y a personne et <laughs> ils déversent. Et donc, par exemple, derrière le Issaberi, entre Isaberry et CG5, c'est la même chose. Euh, j'ai vu une action de la mairie, je pense, il n'y a pas longtemps, qui a consisté à enlever donc euh, les ordures autour de Isabéry. Mais en enlevant, on enlève les ordures, mais on n'a pas trouvé de solution pour ces pousses pousses là euh, ce sont des travailleurs. Moi, je ne demande pas qu'ils arrêtent de travailler, mais je pense qu'on doit, la mairie doit approcher ces, comment dire, ces travailleurs mhm. pour les éduquer et leur inculquer euh, un minimum de, savoir vivre ensemble parce que prendre les ordures chez un résident et aller les déverser derrière un mur où des élèves ou des citoyens passent, je pense que c'est pas confortable et donc ça revient euh, à la mairie de, de s'impliquer dans ce. On le sait, vous aussi, vous œuvrez inlassablement pour rendre la ville de Niamey propre. Parlez-nous donc de vos actions. Alors nous, les actions, euh, nous, nous constatons d'abord, nous dénonçons et euh, après nous approchons la population pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est comme ça. Et donc euh, bah, la plupart, en tout cas partout nous sommes allés à Taladji, à Harubanda, à Koubia, euh, c'est voilà la, la population accuse la mairie dans le sens que la mairie ne, on a, il n'y a pas de programme d'enlèvement des ordures et donc les, ordures s'entassent. Un exemple, en janvier 2017, nous sommes allés à Bangabana et euh, les résidents de Bangabana nous ont dit euh, c'était vraiment c'était un dépotoir autorisé, il y avait deux bennes. Mm-hmm. Et les deux bennes étaient bon à moitié remplies parce que les bennes sont inaccessibles pour les enfants qu'on envoie jeter les, ordures. Et donc, les gens déversent par terre. Et donc, c'était vraiment euh, sur, je ne sais pas combien de mètres, ils ont, il y avait les ordures et ils nous ont dit depuis le mois de Ramadan dernier, donc c'est-à-dire on a compté 8-9 mois avant, la mairie n'était pas passée pour enlever. et donc les ordures s'accumulent et euh, voilà, ça pose un problème de, de, santé publique et aussi euh, juste de comment dire de oui, et donc euh, comment comment ça se passe concrètement Vous intervenez dans tous les quartiers, vos actions, comment ça se passe oui, on intervient, par exemple, quand, euh, on a intervenu à Koubia, euh, à côté du boulevard Tanimoun, euh, je pense que c'est une université, mais qui n'a pas encore vu le jour. C'était sur 500 mètres. On a dénoncé ce, ce, ce dépotoir qui était sur plus de 500 mètres. Donc le jour de notre action, nous cotisons en fait entre les membres du groupe nigérien cyber citoyen parce que c'est un coup l'enlèvement de, des ordures. On a euh, enlevé 55, on a fait 55 voyages d'ordures. Et évidemment, on a vu qu'il y avait les journalistes, la presse que je remercie encore, qui étaient sur place. On avait, nous, nos téléphones pour... Euh, envoyer les, photos et les, vidéos sur les réseaux sociaux. Mm. On a eu un grand nombre euh, de responsables politiques qui sont venus nous soutenir, nous encourager. Et par la suite, le ministre euh, de la salubrité urbaine et euh, l'actuel délégué spécial qui, qui, était à Niamey là auparavant, et, qui est encore, d'accord. Et donc il était, il était venu sur place et il a vu l'ampleur euh, de, ce dépotoir et il a, il a pris euh, l'engagement, en tout cas, de le dégager définitivement. Et c'est ce qui fut fait. Il y a eu même une réunion d'urgence euh, le, lendemain au niveau de la présidence qui a mm-hmm. convoqué tous les, tous les acteurs qui interviennent dans la salubrité. Et ce dépotoir-là a été dégagé. Mm-hmm grâce, on va dire, à, nos dénonciations et à notre action qu'on avait commencé à mener. Et donc, euh, ça, on, a eu ensuite euh, C'était une école, enfin deux écoles sur le long du boulevard Malibéro. Les, les ordures étaient sur plusieurs mètres aussi, on a intervenu pour enlever ces, ces et donc, et donc, après chaque opération de salubrité, est-ce qu'il y a un suivi dans les quartiers dans lesquelles vous avez intervenu Oui, alors euh, nous avons eu euh, un programme, par exemple pour, Koubia. On s'est dit, après l'enlèvement, nous allons planter des arbres à l'endroit de là où nous avons dégagé le dépotoir pour que les dépotoirs ne reviennent pas. Alors, ce qui était formidable à Koubia, c'est que la population, donc les riverains qui étaient face à cet endroit-là, ils se sont érigés en gendarmes de la salubrité. Ils mhm. ont c'est eux qui ont fait la, monter la garde pendant des mois pour interdire les, les pousse pouces de venir déverser là parce que ça a été dégagé grâce à, l'effort citoyen et aussi l'effort de la municipalité. Il y a un garage finalement euh, qui était en face et il a ramené ses véhicules à cet espace-là. Donc euh, aucun pousse-pousse n'ira euh, remettre des ordures. Et au niveau du palais de justice, on avait intervenu aussi le dépotoir. Euh, tout le monde connaissait ce mhm. dépotoir. Aujourd'hui, il a disparu. C'est devenu un parking grâce aussi à, l'engagement du procureur mhm. qui a dit oui, effectivement, nous avons raison. Ce n'est pas un endroit pour un dépotoir. Et aujourd'hui, l'endroit est devenu euh, propre. La population apprécie vos actions. Euh, j'imagine, et nous, nous <laughs> demandons pas qu'ils apprécient, nous voulons leur adhésion, mm. parce que nous sommes aussi des citoyens. Et donc voilà, c'est un effort collectif et grâce à cet effort-là, je pense que notre ville aura une autre image. Euh, samedi dernier, nous étions à, à, une rencontre euh, de comment dire, la commission, l'agence nationale qui organise le sommet de, de l'Union africaine. Euh, ils ont un projet ambitieux de rendre euh, vraiment notre ville euh, coquette, et agréable. Et nous, nous avons été invités en tant que justement activistes et nous apprécions le programme. Maintenant, nous demandons juste qu'eux eux aussi fassent un effort d'approche citoyenne parce qu'il faut une forte sensibilisation, il ne faut pas baisser les bras euh, pour, arriver à un résultat. Monsieur Tancourt, ces genres d'initiatives euh, d'entretien des voies, des ruelles, euh, tout ça sont à féliciter, n'est-ce pas Bien en tout cas, le fait de dénoncer, nous, ça nous ramène encore à l'ordre le fait qu'il dénonce cette voie n'est pas bien, ça, ça, nous, permet euh, <coughs> d'aller en, avant. Bon, ce que je veux vous dire, euh, avec ce programme qu'on a aujourd'hui, qui est en cours de réalisation, euh, d'ici peut-être la fin même de, l'année 2017, on ne trouverait pas des nids de poule dans la ville de Némi. Car le président de, la délégation spéciale a pris vraiment cet engagement et maintenant rendez-vous, rendez nous maintenant en décembre pour voir ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, euh, et les prestataires et notre équipe, nous allons nous atteler pour que ce soit ainsi. Bon. Maintenant, euh, on a uniquement parlé du colmatage. Dans les rues, il n'y a pas que du colmatage. Il y a aussi euh, des rues latéritiques qu'il faut reprofiler. Et ça, on est à pied d'œuvre, on est là-dessus. Actuellement, j'ai une brigade qui est à pied d'œuvre en train de, le faire. Il y a ce, ce, ce profilage-là. Il y a ce qu'on a fait aussi en saison hivernale. Dans la saison hivernale, donc toutes les communes, les cinq communes de la ville de Nami, on a affecté des niveleuses pour faire des tranchées, pour évacuer les eaux de, de, Et ça a été vraiment euh, une bonne œuvre. Beaucoup de rues, en tout cas, n'ont pas gardé l'eau euh, comme ça se faisait euh, des années plus tard, plus tôt. poursuivons ce forum et toujours concernant la gestion des voies publiques, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a rendu public un communiqué en date du 29 septembre sur la question du rejet des eaux usées, des sanitaires et des ménages sur la voie publique. Selon ce communiqué, je cite, le rejet des eaux usées, des sanitaires et des ménages sur la voie publique ainsi que le branchement des tuyaux des sanitaires sur les caniveaux reste et demeure formellement interdit par les textes en vigueur. Le communiqué prévient que les personnes physiques et morales concernées ont jusqu'au 15 novembre 2017 pour s'exécuter à compter de la date de diffusion du présent communiqué. Passé ce délai, force demeure à la loi. Monsieur Tonko, je reviens vers vous. Euh, qu'en est-il de cette décision Qu'est-ce qui a motivé euh, le président à prendre cette décision de la délégation Ce qui a motivé le président de cette décision, c'est que, bon, euh, vous le constatez vous-même, c'est vraiment dégueulasse de jeter des eaux usées dans les rues. C'est dégueulasse aussi de brancher des ovanes parfois dans les caniveaux. Ça pue. Donc, euh, c'est ce qui a, surtout, c'est euh, ce manque d'hygiène qui a motivé cette, décision-là. Bon, donc, à cette décision, maintenant, une brigade a été créée au niveau de la ville de Némi. Mm. Une brigade a été formée. Cette brigade, aujourd'hui, elle est dans la ville de Némi. Elle est, elle est en train de faire maintenant la première étape qui est la sensibilisation. Au niveau donc de chaque commune, il y a une brigade de sensibilisation. Ils sont maintenant en train de sensibiliser les gens jusqu'au vraiment <coughs> le, délai, qui a été écrit jusqu'au 15 novembre. Mm-hmm. Donc, euh, à ce 15 novembre-là, tout le monde serait sensibilisé. Donc, ça veut dire celui qui, à, ce 15 novembre-là, jette des eaux dans la rue ou bien reste branché sont ses, eaux vannes dans les caniveaux sera sanctionné, mhm. sera verbalisé et sanctionné. C'est ce que ça veut dire. En tout cas, cette équipe, elle est composée de, policiers municipaux et bien d'autres euh, des agents de la mairie. Mhm. Elle est aujourd'hui à pied dans toutes les communes avec donc la collaboration des chefs de quartier. Tout ça là, ils sont en train de travailler, ils sont en mhm. train de sensibiliser la population. Ça, c'est la première phase. Donc la deuxième phase, ce serait celle maintenant où les gens maintenant résistent la verbalisation les sanctions et Bien sûr. Alors, euh, Ina, qu'est-ce que vous pensez de, toutes ces décisions prises par la ville de Niamey Moi, j'applaudis les décisions. Maintenant, c'est l'application, comme on le dit, parce que j'ai un camarade euh, euh, NCC. docteur Bachir Talfi qui a qui a qui était le coordinateur donc du groupe pendant sa coordination il a dit on ne va pas mener d'action dit on va divulguer euh, les textes donc du code de, l'hygiène publique mhm. sur les réseaux sociaux. Et donc c'est ce que nous avons fait, nous continuons même de, de, le faire actuellement. Euh, chaque dimanche, nous publions un article euh, du code de l'hygiène publique. Beaucoup de Nigériens ne savaient même pas que le code existait. et, et, donc, docteur nous dit toujours, si seulement on appliquait le NM de ce code, on n'aurait même pas de problème à, à Niamey. Mhm. Donc vraiment, euh, nous encourageons la, délégation spéciale à aller vers la verbalisation parce que le Nigérien, nous sommes ce que nous sommes, nous sommes têtus, mhm. nous ne sommes pas respectueux donc des textes et il faut divulguer le texte. Les radios sont là pour le faire, les, les, médias, euh, les télévisions, les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous, nous sommes sur les réseaux sociaux, mais nous ne touchons pas tout le monde. Et donc, mhm. vous avez d'autres relais comme les médias classiques mhm. qui peuvent le faire parce que c'est vrai, les textes existent, mais les gens ne sont pas au courant. Et il, il y a aussi le simple bon sens euh, aujourd'hui, quand on voit l'occupation anarchique des voies, euh, Madame qui fait son dambou, qui est sur la, qui occupe la voie, et elle jette, elle prend l'eau qu'elle a lavé les tasses et autres, elle vient déverser même sur le goudron. Moi, j'ai eu plusieurs fois des, gens qui ont déversé sur mon véhicule. Et je m'arrête, on discute. Parce que bon, euh, c'est des choses qui ne se font pas. J'ai eu des cas où on me dit c'est à ton papa ou à ta maman la voix publique. Donc, vous voyez, si on ne verbalise pas, euh, d'abord il faut les sensibiliser. Et celui qui ne respecte pas, il faut le verbaliser, l'amender tout simplement. Comme ça, demain, il saura que euh, c'est pas la voix publique et à tout le monde, ce n'est pas pour le père ou la mère de quelqu'un, comme, comme ils le disent. Nous sommes presque à la fin de ce forum, Monsieur euh, Tanko. Quel appel avez-vous à lancer euh, à la population pour euh, vraiment tenir les voies publiques euh, bien entretenues les voies publiques, c'est comme son nom l'indique, c'est les voies publiques, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc tout le monde doit respecter les voies publiques. Elle intéresse tout le monde, comme ce qu'il vient de dire là. Vraiment, le fait même de verser de l'eau sale sur ce goudron, ça aggrave l'état du goudron. Mm-hmm. Donc, que vraiment les gens, que la population, que les gens cessent euh, de jeter des eaux sur le goudron. En dehors euh, de cela, les, les, les, choses, les lampadaires, les feux optiques, oui. vraiment parce que là, c'est c'est parfois un peu frustrant parfois tu vas trouver un panneau tu vas mhm. trouver un poteau qui a été terrassé par un véhicule mais tu demandes le tablier d'un côté là, il ne peut pas te dire voilà celui, qui, s'est l'intéresse. <laughs> Il ne peut pas te le dire. Mm. Et il va te dire que tu reviennes lui remettre ça, parce que lui ça l'intéresse. Mais il ne peut pas, peut pas dénoncer qui a fait cela. Vraiment, nous, nous avons toujours attiré l'attention. Vraiment, il faut que les gens, déjà gens de, de, ces accidents là nous les communiquent, même si ne même si ça prend le numéro d'un véhicule, mm. sans même parler à, celui qui a fait l'accident, ils prennent le, numéro de véhicule, ils donnent, ça à la police. Nous, c'est largement suffisant. On va retrouver. Mm-hmm. Nous, vraiment, nous demandons à la population, dans ces cas de figure, vraiment qu'ils dénoncent les gens qui font des accidents sur les poteaux, sur les lampadaires, sur les feux optiques. Mm-hmm. Vous voyez, mais la ville de Némé, on a 28 carrefours qui sont dotés de feux optiques. Moi, je dis combien marchent Il n'y a que trois qui marchent. Mm-hmm. Mm-hmm. Et même les trois là, c'est des solaires. Même les trois feux optiques, c'est des solaires. Et nous avons aussi l'intention encore, non seulement de les réhabiliter, et aussi de faire une extension. Mais là, il faut vraiment que la population euh, prenne ça comme un bien à elle. Mhm. Parce que euh, l'éclairage public, c'est la sécurité. C'est la sécurité. ça fait la sécurité. Il faut que les gens comprennent ça. Ok, merci. Je termine par vous, Ina Karanta. Vous, comptez, continuer vos actions d'entretien des voies oui, bien sûr, nous sommes lancés sur ça et nous continuons. D'ailleurs, nous avons fait des spots euh, euh, donc audiovisuels, par exemple pour le cas de G 2 d'eau usée sur la voie publique. Nous l'avons fait, c'était passé même sur Télé Sahel. Et euh, nous espérons que ça a touché euh, donc la, population et qu'ils doivent changer de comportement, mhm. changer, avoir un comportement civique, prendre le bien public comme si c'était euh, sa propre chemise. Et c'est ainsi que nous allons avoir un environnement viable. Mhm parce que euh, en parlant donc des lampadaires, je veux rejoindre monsieur, je me souviens qu'il y avait un projet d'achat de caméras publiques mm-hmm. et moi, je, <laughs> je, demanderais à la ville de Niamey si c'est possible, s'ils ont les moyens de le faire, parce que c'est cas d'indiscipline, d'accident, euh, que des gens qui, qui font tomber des, des, lampadaires publics et qui fuient, mhm. euh, c'est vraiment irresponsable. Donc peut-être que les caméras vont dissuader les gens. Et les caméras, c'est aussi la sécurité. Mhm. C'est vrai qu'on on avait eu un débat là-dessus qui disait que ça viole... Euh, euh comment dire l'intimité de, des citoyens, mais ça rentre aussi euh, dans le cadre de la sécurité des, citoyens et de la sécurisation de ces biens publics-là. Mm, mm. Et donc, euh, si vraiment le, les moyens sont là, c'est d'aller dans ce sens pour euh, dissuader ces automobilistes euh, indisciplinés. Nous avons, nous continuerons nos actions. Nous avons un plan pour cette coordination qui va durer trois mois. Et voilà, vous allez entendre parler de nous encore dans les minutes. Ok, merci à vous, chers invités, pour votre participation. Ici prend fin ce forum. Nous étions avec euh, M. Tanko Wahidi, directeur de la voirie ville de Niamey et Ina Karanta. Elle est volontaire sur les questions de salubrité et membre du groupe nigérien cybercitoyen. Merci aussi à nos auditeurs et auditrices. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.